Bonsoir, nous vous accueillons dans un nouveau numéro de votre émission Tous à la Fada du studio Kalangou, relayé à travers les radios partenaires sur l'étendue du territoire. Rabi qui présente habituellement la première partie de tout Salafada étant empêché, c'est votre serviteur Rondi qui prend le relais. Aujourd'hui sur l'émission, nous nous intéressons à la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire dont les effets peuvent bloquer la circulation sanguine, provoquant notamment des douleurs. Les traitements incluent des médicaments, des transfusions sanguines et dans les rares cas, une greffe de la moelle osseuse. Selon L'Organisation mondiale de la santé OMS, chaque année 300 000 enfants naissent avec la drépanocytose oh, et plus de 3,5% de ces enfants en meurent avant l'âge de 5 ans. Cependant, des progrès dans les prises en charge de la maladie ont permis d'accroître significativement l'espérance de vie moyenne des personnes atteintes de drépanocytose. Au Niger, par exemple, elle est aujourd'hui de plus de 30 ans alors qu'elle était inférieure à 20 ans avant les années 1980. On le voit, les personnes qui vivent avec la drépanocytose sont dans la fourchette jeune. Comment est-ce qu'ils vivent avec la maladie Est-ce qu'un réel handicap pour l'existence Comment les malades de drépanocytose sont-ils perçus dans notre société S'épanouissent-ils convenablement C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en les posant directement à nos invités qui sont soit porteuses de la maladie, soit vivant avec des personnes qui en souffrent. Vie, combat au quotidien et esprit des jeunes atteints de la drépanocytose. Tel sera le thème du premier angle de notre émission Tous à la Fada. 80 06 90 54 pour participer à l'émission ou pour recevoir tous nos contenus, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Tous à la FADA, c'est 35 minutes certes d'émission. Vous aurez la rubrique L'artiste s'exprime. Mr. Olivier sera aussi de la partie euh, pour la chronique de l'émission. Nous aurons aussi des intermèdes musicaux. Nous sommes jeunes et notre inspiration, c'est la musique vous êtes OK Vous êtes prêts Oui. Décollage imminent. Hey. Haji, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Madame Hima Fadimatu. Ah. présidente association de lutte contre la drépanocytose au Niger. Ah, Kuna e cité mm. association association. association. association ah, lutte contre la au Niger bayan wannan kusan da muna tare da samari da 'yan mata da suke porteur de cette maladie monsieur Issoufou Amadou ba da mawalaya ba la la wallahi ça va ça va bien D'accord. Ama Issouf Tabé mana. Yo mutu ya prendre tête en hein, pamu sek jeune entre hein, nous kama tama banga. Raina Musa, ça va bien? Ça va. Alhamdulillah. Lahi kilaw Lahi alo. D'accord. Kuma ga guda sunanta Rahanatu Ousmane. Rahanatu Ousmane, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Oh, tout se passe bien, non? Gamu tara da euh, Salamatu Mayachi. Salamatu Mayachi, ça va bien? Ça va. Kin shirya? Alhamdulillah. Eh shiria shirya. Kin shirya? Alhamdulillah. To shi kenan. Ali, ça va? Kin kima? Eh, ana iya busawa eh. farar kenan an busa <laughs> hajiya ku gaya muna comment est-ce que cette maladie to drepanocytose dai ana kiranta kuma emasi kowa ya mhm. santa da sunanta emasi mhm. cuta ce wadda cikin jini take mhm. kuma wanda ake waɗi ƙwayoyin jini take mallakawa kuma waga cuta yaro ba shi iya samun ta sai ya same ta ga uwa ko ga uba in ya same ta ga uwa da uba gaba ɗai ne ake samu a ce mata form ss ko sc in ko ya samu ga ma'aihi guda in ya samu s guda ko c guda shi ne ake samu as ko ac hmm. shi ne rabi ne mutum ya samu amma masu rabin nan as ko ac mu su ne muke tsoro hmm. don mi su sai a dauke su kawai ba su da cuta amma su ne ke ba da cuta in sun samu ɗiyansu. Mm, kama misali in ba a yi da pistache in ba as da as ah, ah. in sun gamu eh. sai su ss kawai in yanzu as biyu sun armi juna mm. su maladi ba ta develope gare su amma eh. suna da ita cikin jiki mm. as biyu sun armi juna suna samun ɗiya ss mana ko wani ya da s ko wani ya da s kuma suna iya ba da kuma as ss shine form graph haka ne ita ce adda kaihi kwarai to dan shine waɗanda ss da sc sun an san tun da ma suna da cutar mm. kuma in an gane su cuta tana su wahala mm. to NAC da AS din nan su cuta ba ta ba su wahala mm. likitoci dibi suke kawo su da koma cutar amma tsakanin su in sun armi juna sai su samu ɗiya masu cuta SS da SC su ne form graph mu da uwayen ɗiyan so muka yi kowane jen kakin yayi aure shi da budurwar shi su yi test da shi ne a cewa in shi ya san yana da AS ya test koma SS gare shi yana iya auren mace mai a'a wadda ba ta da komi ba a cewa mai SS ss ba shi wuri suna aure tsakanin su mm. amma su yi test mm. yanzu so muka yi eta ta sa ma test din nan obligatoire pour les jeunes dan dai a rage ciwon ganin MRC cikin kasan mu <laughs> Monsieur Abdelkarim, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette émission. Merci. Vous êtes malade de drépanocytose. Bien sûr. Est-ce que cette maladie a un impact sur votre vie au quotidien Bien sûr, ça a un impact sur, sur ma vie parce que vivre avec la drépanocytose, c'est très difficile. Hein. C'est mhm. très difficile parce que mhm. ça va vous empêcher de, faire les études euh, comme vous voulez. Mhm. Et puis, c'est très difficile, c'est compliqué parce que même avec les amis, tu ne peux pas t'amuser avec tes amis comme tu hein, le veux, tu ne peux pas te distraire comme tu veux avec les amis. Il faut faire attention, il faut faire ceci. Il faut faire ceci, Voilà ça va t'empêcher de voyager, ça va t'empêcher de faire beaucoup de choses, des, travaux qui sont physiques, voilà. Mm-hmm. Donc ça va t'empêcher de faire tout ça là. Donc vraiment, ça, ça joue. C'est difficile de vivre avec la maladie, c'est très difficile. Et j'ai la chair des poules, hein, franchement. Et je me dis que, au fait, euh, nous, sommes de cœur avec vous et nous cherchons des solutions. Nous allons en tout cas renouer toutes les conditions pour donc permettre aux jeunes qui vivent avec cette maladie de s'épanouir, hein, comme les autres jeunes. C'est ça notre mission. Et nous allons en tout cas accompagner cette association dans cette mission plus à Dieu. On a eu votre propos Et c'est important aussi qu'on ait la vie des filles. Raina Musa, mun ga da ya ne vivre de wanga ciwon. Kamu boye ma juna komi. Haka eh. ne muna nan ga wahala sosai. Wahalan nan ne muke so mu faffara su. Lai wahalhalolin da muke gani kana mm. son kai rayuwa kamar yadda kowa ke rayuwa ba ka mm. iya. kun baka iya bulaguro matsaloli dai ga sunan dai da yawa muna son mu karatu ciwon baya ya bari mu karatu sosai ko wasu hanyuka da kamata a su ma su bi dan ku ku samu kanku yadda ya kamata haka ne akwai ayyuka mai ba aiki duka muke iya yi ba da mun yi aiki mun gashi ne dole ne kiriz ya tashi kiriz tashi yake kenan ba aiki duka muke iya yi ba dole sai an kula da ku sai an kula da mu wallahi dole wannan ba zancen wasa bane wannan emission da muke nan gai ya kamata wanda suke sauraron mu su autorite da wansu ONG da wansu bon volante kuzi yadda yaran suke ciki salamatu ma ya ce eske wannan ciwo yana hana ku ku yi karatu yadda ya kamata ku yi aiki yadda ya kamata su ne muke so mushi yana hana ku kwarai ma yake hana mu ciwon amc yana hana mutum ya yi walwala yadda ya ga dama ka dai duk ta zan kamar tauye ka tauye baka walwala tare da yan uwanka ka ji daɗi zancen karatu shi kuma in ma babu sensibilization uwaye ba su gane ba star bai iya karatu mu lokacin da muka yi lakwal in ka tai lakwal ta ake yi wanga bai bai rayuwa bai kaza in kana jin wannan kana ɓoye kanka baka hita cikin warin ka kai abu sai hidda ka lakwal me yanzu abun yana dan dama dama avec la sensibilisation ana waye mu mutane kanu mm. yana dan dama amma akwai abubuwa da yawa mu rayuwar mu matsi muke cikin shi tunda ba abu duka muke iya yi ba wankin gana banza drepanoster bai iya yi makan shi aiki na karhi ba mu iya yi don kanmu kuma tallafin ma ba mu da tallafi fami in kana da drepanoster guda akwai wahala magani ba mu da prison charge ba mu da komi haka nan dai ne ka gani rayuwa akwai mace sirtu ga mace akwai masala eh, wanga in ya rego ya zo sai ya ce hawa kai wannan ordonance ce ya gudu ya tahi ka eh, gani c'est pas facile ah non c'est pas du tout facile je suis d'accord avec toi ne me fais pas pleurer sur l'émission eh. ah, akwai matsala lahal zubaida ce ma kin taba samu matsala cikin wanga rayuwa da wanga ciwo to ni dai gaskiya matsala na ga matsala da dama ka in boye komi ni dai zan ma na ban yi etid ba hmm? saboda kiris. muna yin stress ko wani in za a taya wani mariya ana ce kai baka zuwa saboda baka iyawa ko wani batin ba mu dai hita ga mu nan dai baki sho baki komai dai gashi nan dai haka ba amma yarda ne tunda mu fara in mu su kenan gani abun da suke nan gani game da mu sun ma hi mu shan wahala za a cewa mm, paske in bakwa kwana su ma ba su kwana gaskiya in kris in ya tashi kamar gare su ne yake su ma zaki gaya muna rahana tusman yanne in ci wannan ya tashi ne ake ji ga ci a gaya mana mutane su ji dai yadda kuke ji in ci wannan ya tashi to assalamu alaikum alaikum assalam da farko dai in increase in ya tashi dai wallahi ba mu da hankali ƙahu na ciwo suna sara jiki na ciwo ba kama iya tahiya ko ina ciwo yake yi ma mutum mu ya ganin wahala iyaka ba iyaka wallahi wahala mu ya nan ganin wahala in kiriz in ya tashi mutum yana dai mahaukaci tunda mutum bai san yace abin da yake yi yanzu ana kama nan ga ka ce wani wuri na maka ciwo har ana yin san minti wani wuri ya kama har ana taranta minti duka jikinka sai ya kama muna ganin wahala iri iri ba mu da walwala ko kaɗan abin da mu suke yi mu ba mu iya yin shi ba mu iya yin shi wallahi ku bari da Allah ku bari wannan zancen nan Déjà, je m'imagine, parce qu'on a l'habitude d'avoir des douleurs. Quand on a le palu, on a des douleurs aussi, un peu des douleurs articulaires, mais là, c'est une autre dimension. Alors, je pense que la question, on doit prendre ça au, sérieux, comme on dit. Et nous allons euh, vous divertir un tout petit peu sur cette émission, parce qu'il le faut. L'artiste s'exprime, c'est une rubrique donc de l'émission Tous à la Fada. Cette semaine, nous allons donc nous entretenir avec euh, un acteur culturel. On le suit et tout de suite, la suite. Vous êtes sur l'artiste s'exprime, mesdames et messieurs. Alors, Kitari, tu vas nous parler, euh, n'est-ce pas un tout petit peu d'abord de toi pour permettre à tes fans de savoir qui tu es véritablement. On commence par la base, c'est important de rappeler toujours hein, euh, pour, la mise à jour comme on dit. Quoi. Mon nom à l'état civil c'est Mohamed euh, Kitari Harouna Koulibaly. Voilà. Et voilà, je suis artiste chanteur, mais je suis également acteur. Acteur de cinéma, acteur de théâtre scénique et tout ce qui va avec. Je suis également, euh, bon, j'étais étudiant parce que là j'ai pratiquement arrêté. j'ai fini avec mon master 2 et là, je, en logistique et transport. Uh-huh. Donc euh, là, je me consacre principalement à ma carrière en fait. Alors, puisque tu te consacres donc euh, à ta carrière, on va parler de cette carrière en fait, euh, de comment est-ce que les choses ont commencé. La musique, je es avec parce que je suis en contact depuis mon bas âge et mhm. tout. En ce qui me concerne personnellement, ma carrière personnelle que j'ai débutée, je dirais que ça fait quelque chose de trois ans tout au plus. D'accord. j'ai commencé, à peu près trois ans parce que j'ai d'abord commencé avec juste un petit featuring avec deux rappeurs, Max D et Mike Shine. Ok. Donc c'était mon tout premier son, c'était mon tout premier morceau. Et après, c'était le déclic, quoi, c'était parti. Donc, euh, disons que ça fait à peu près trois ans que je chante. Trois ans Trois ans. Super. Alors, puisque ça fait trois ans que tu chantes, hein, eh, tu vas eh, nous dire comment est-ce que tu as aussi entamé ta carrière euh, euh, musicale et pourquoi aussi tu as décidé d'aller avec ce genre musical, le, le chant. Ouais. Bon, euh, en fait, euh, je dirais que c'est plus la musique qui est venue vers moi parce que, comme je l'ai dit, à la base, j'ai commencé avec le théâtre. Mais à chaque fois qu'il y a une compétition euh, inter-établissement, généralement, on me demande de participer en karaoké, que je sois celui qui va représenter l'école en chant. Donc, ça a débuté comme ça et à chaque fois que je chante, j'avais des bons retours. C'était les gens étaient ébahis, mais waouh, tu chantes bien. C'est ça qui m'a fait comprendre qu'en fait, Dieu m'a donné un don. Ok. Et que voilà, je devrais l'exploiter. Donc c'est vraiment plus les gens qui m'ont poussé vers la musique, c'est la musique elle-même qui m'a attiré vers elle. Et puis c'était, parti. Et concernant les genres musicaux, moi personnellement, le genre que j'aime, c'est plus le RB et autres. Mais il y a également le genre que les gens veulent. Donc, euh, on est là pour eux, donc on est obligé de leur faire plaisir. Donc je me suis lancé dans la world music, je fais de l'R&B également, je mets du slow, je fais un mélange d'afro et tout ce qui va avec en fait. Super. tapé là pour entrer dans le vif euh, du sujet. Ok. On dia bayanteniga, on dia super. <laughs> Nous allons parler de l'album parce qu'on a déjà eu ton genre musical. Parlons de l'album d'héritage qui fait le buzz. Héritage dont tout le monde en parle. Héritage, c'est en fait le nom de mon album. Héritage, c'est mon histoire. Je parle à travers cet album de l'héritage que j'ai reçu de ma maman et du poids que cela représente pour moi Super. Et les tâches nous sommes donc euh, pratiquement à la fin de cette dernière partie, amis téléspectateurs et téléspectatrices du studio Kalam. Pour rappel, vous êtes sur l'artiste s'exprime. Alors c'est Kitari, l'artiste de la semaine, qui s'exprime donc sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes à la fin. Un dernier mot à l'endroit des fans, un dernier mot à l'endroit des artistes nigériens, un dernier mot à l'endroit, bien évidemment, de tous qui nous suivent, pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. C'est possible. C'est plus que possible à l'endroit de mes fans, à l'endroit des fans de tous les artistes nigériens, en fait, ce que j'ai à dire, c'est continuer à soutenir l'artiste nigérien. Quand il y a un concert, sortez, parce que c'est grâce à vous que le Niger va avancer musicalement. C'est pas nous. Nous, ce qu'on peut faire, c'est chanter. Ce qu'on peut faire, c'est vous faire plaisir. Donc, aidez-nous à vous faire plaisir. À l'endroit des artistes, Sincèrement, je dirais merci parce qu'ils sont nombreux qui ont décidé de m'accompagner. Le game est arrivé à un moment où c'est entre nous, les artistes, il faut qu'on se donne la main pour que la musique et l'art de manière générale puissent avancer. Ainsi parle l'artiste. La balle est dans votre camp. Et à l'instant testé, donc, l'artiste exprime sur l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes présentement au niveau de l'association